Salut les amis du Patriote Inter, merci encore Guy de la confiance renouvelée, surtout merci de continuer à vous abonner. L'actualité, ça se passe ici, l'actualité, ça concerne bien entendu le football mondial, mais aujourd'hui nous allons parler de la crise de Liverpool, de une crise de Liverpool, notamment le cas de Jorgen Klopp, Sadio Mane entre autres, Sadio Mane l'international sénégalais, l'attaquant de Reds, Graham Diamonodini, membre de a et problèmes par rapport à formam na mais du c'est à l'image de Liverpool ces derniers moments beaucoup de gens au niveau de Liverpool sont sortis euh, la plupart ils soutiennent l'entraîneur ñu bëri nag naan Jürgen Klopp dafa gis ngeen ne tey supporteurs yi ñoom dem nañ ci porte stade bi nga xam ne tamit mooy Anfield Road dem foofu noonu nga xam ne tamit dem fa génnewaat li nga xam ne mooy Never Walk di chanson historique bi nga xam ne mooy représenter toute une histoire pour Liverpool Sadio Mané aussi ñi ngi ko doon wax beaucoup de rumeurs Sadio Mané day dem du dem day dem du dem day dem du dem day toog wala du toog en tout cas ce qui est sûr c'est que Sadio Mané a lié son destin à Jürgen Klopp c'est-à-dire qu'aujourd'hui Sadio Mané demam ça dépend ndax Jürgen Klopp day toog wala du toog parce qu'il n'a jamais manifesté son envie de quitter jiite Liverpool Sadio Mané musutu wax ne dafa bëgg quitter Liverpool mais quand même à son âge aujourd'hui bëgg na franchir benen cap li mu def Liverpool il l'a fait à Liverpool jël na championnat à Liverpool ce qui n'était plus arrivé depuis une dizaine d'années mais également ñëwaat na def li nga xam tamit gëjoon na fa am li nga Ligue des champions bi nga xam plus de 10 ans Liverpool jëlu ko ay année année année Liverpool mi ngi soog a pour la première fois li nga xam championnat euh, Premier League bi foofu noonu 10 ans ñu toog ko jëluñu Ligue des champions quand Sadio Mané est arrivé avec bien entendu un autre armada yi mu fa fekk ñoom euh, Firmino mais également Salah est venu connu constitué équipe bi Liverpool championnat bi ci euh, champion euh, indétrônable bi fa nga Manchester City Liverpool a eu du mal et comme beaucoup d'équipes ils ont eu des difficultés à remporter ce championnat ce championnat mais l'année dernière ils l'ont fait mais cette année aussi beaucoup parlent comme je l'ai dit ci euh, Sadio Mané day demal dem mais moom li il a lié son destin à Jürgen Klopp c'est-à-dire quoi c'est-à-dire que tay bu Jürgen Klopp il y a de fortes chances également équipe de Liverpool ñu bëri dem muy ci Mohamed Salah di Sadio Mane du Firmino entre autres Wijnaldum ba il n'a pas encore prolongé ñu bëri ñu ngi naan Wijnaldum day dem fa nga xam ne moom mooy ca euh, Barcelone Sadio Mane il est euh, bien entendu ciblé par beaucoup de clubs ñi ngi doon wax naan Sadio Mane mën na dem Real de Madrid mën na dem fenn fenn mais Real de Madrid Zidane moo mus a waxtaan ak Sadio Mane après par la suite le joueur n'a pas fait de pas mais également euh, Florentino Perez moom beneen option la amoon muy Eden Hazard gis nañu Eden Hazard flop lo ñu ngi wax ñu fi mu ne Kylian Mbappé moom actuellement il va prolonger ne serait-ce que d'un an avec le Paris Saint-Germain Ken que Sadio Mane Daydem, forcément au Real Madrid, mais il y a beaucoup d'autres options. Il y a le Paris Saint-Germain, il y a aussi d'autres options, même en Angleterre. Ce qui est sûr, qu'aujourd'hui, le destin de Sadio Mane est lié à celui de Jurgen Klopp au niveau de Liverpool. Ndax Jurgen Klopp moom moo Sadio Mane beaucoup de les Southampton avant Southampton ba mu Borussia Dortmund le cible woon qui di Sadio Mane mu ñëw fa nga xam y ci Liverpool ñëw constituer une équipe Sadio Mane également au cœur du dispositif mis en place par Jurgen Klopp. Aujourd'hui, on parle quand même de ce à venir de Sadio Mané c'est qui est sûr que l'enfant de Bambali doit en tout cas continuer cette année à faire ses preuves What na we? di def ay preuves am war parce que jamono il n'est pas presque à il est juste à 10 buts presque hein. te Sadio Mané jamono ji ñu ngi la wax championnat ay 22 buts le don Google. Rennes saine défense bi dafa am problème attaque bi y' a eu beaucoup de problèmes Disney nañu tamit sincèrement euh, ku nek ngay bëgg a patron bi muy mi nga xam dañu wax il jouait pour l'équipe... maintenant il est devenu un peu plus individualiste Sadio Mané aussi il est là aussi pour marquer boudé mo à la base il n'était pas là simplement pour marquer mais depuis 2 ans 3 ans on a vu que il évolue... côté Sadio day dem en tout cas beaucoup rêvent de voir Sadio Mané dans un grand club Rêvent de voir Sadio Mané évoluer comme beaucoup de joueurs Qui... Hein, ci club yi nga Ligue des Champions et moment également son rêve c'est de gagner. le encore une Ligue des Champions watt Ballon d'Or gagner tamit euh, prix comme Moumoui Salak de di keneen ce que sur sûr Jurgen club, Klopp jamono au cœur des débats au niveau du euh, de Liverpool Sadio Mané également.

est attendu, Jurgen Klopp est attendu, Liverpool est attendu, Salah, Firmino, ils sont attendus. Donc, reste à voir aujourd'hui, au-delà même de, cette Ligue des Champions, nan Liverpool du comporté au par rapport à Jurgen Klopp day des Dès, des dirigeant yi dañ ko fay c'est Christian, mooy supporters Nyom, ñoom à confiance témoigne à ko soutien Sadio Mané également il est à 100% avec Jurgen Klopp Mon fa donc bu Jurgen Klopp demain, Sadio Mané peut-être même dina bëgg dem dem si propice même si y euh, euh, club yo club tamit ñing ko fay en tout cas les gars l'actualité ça se passe ici continuez à vous abonner continuez à liker continuez surtout à laisser vos commentaires les gars Dia gen jeff